The forum du studio the forum the forum, studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou ravi de vous retrouver ce 1er novembre 2016. Ce soir, nous parlerons santé. Il est 18h passé de 15 minutes. Le forum du studio Kalogu que nous vous proposons tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, fidèles auditeurs. Nous parlerons paludisme, manifestations, modes de transmission, moyens de prévention et prise en charge de cette maladie. le développement de ce thème, de ce numéro du forum avec Diallo Mariama Kenda. Bonsoir à tous, bienvenue. Comme invité ce soir, je reçois Dr Maman Hima, consultant santé environnement, enseignant au département santé publique. Dr. Euh, Hima, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre euh, invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, docteur, le paludisme au Niger euh, dans un premier temps Oui, le paludisme fait partie des affections qui est à l'origine d'une très forte euh, mortalité et morbidité. C'est-à-dire que ça entraîne euh, malheureusement de nos jours encore beaucoup de décès au Niger. Euh, peut-on dire que cette maladie touche toutes les catégories d'âge euh, Est-ce que est-ce que c'est bien cela Toutes les catégories d'âge sont concernées par cette maladie Oui, euh, c'est vrai que toutes les catégories d'âge sont concernées par cette maladie. Mais avant, il faudra quand même relever un certain nombre de faits. Premièrement, il faut reconnaître qu'à travers le monde, rien qu'en 2015, il y a eu à peu près, selon l'Organisation mondiale de la santé et des statistiques qui ont été fournies en décembre 2015, 3 milliards 200 millions de personnes qui ont contracté la maladie. Ce chiffre représente à peu près la moitié de la population mondiale et à travers ce chiffre, il y a quand même certaines spécificités. 95 euh, pays à travers le monde sont concernés par cette maladie. 95 pays dans lesquels, malheureusement, c'est l'Afrique subsaharienne dans laquelle on dénombre le plus grand nombre de pays, secondairement en Amérique latine, un peu en Asie et dans une très faible mesure au Moyen-Orient. Cela démontre quand même euh, toute l'importance sur le plan mondiale. Et ça montre aussi, si vous voulez, le nombre de personnes qui sont concernées par cette pathologie. En ce qui concerne le Niger, c'est la première cause de consultation. Surtout la période qui va du mois de juin jusqu'en décembre. Donc c'est une forte période de l'année où nous avons des pics de consultation où le paludisme représente plus de 80% des raisons pour lesquelles les malades fréquentent les services de santé. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour montrer la part importante que prend cette maladie au niveau de la clinique et au niveau des pathologies sur le plan national alors, est-ce que le paludisme euh, est réellement la deuxième cause de, mortalité euh, sur le plan euh, mondial Oui, c'est bien sûr la deuxième cause de mortalité sur le plan mondial, parce que, si vous voulez, quand on prend, on tient compte un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres qui, des gens qui sont concernés, quand on voit l'importance de l'étendue du point de vue de la répartition. Et quand on voit surtout les pays qui sont concernés par cette pathologie, on se rend compte que euh, l'OMS l'a décrété comme une, depuis fort longtemps comme une urgence de santé publique, mais mieux, dès le début du XXIe 21e siècle, c'est-à-dire autour de l'an 2000, l'OMS l'a désigné à travers une assemblée générale comme une situation de santé publique prioritaire. Donc ça démontre quand même qu'on demande aux différentes institutions, sur le plan international, sous-régional et au niveau de chaque pays, de prendre la mesure de l'importance de cette maladie et surtout des grandes conséquences que ça a sur le plan économique, social, sans compter les forts taux de mortalité et de morbidité ça entraîne. Est-ce qu'au Niger, ah, on a des, chiffres euh, parlant de ce taux de mortalité On y reviendra, docteur. Pour l'instant, euh, le cas du paludisme dans la région d'Agadez est hypo-endémique, euh, c'est-à-dire que que les autochtones qui ce sont les autochtones pardon qui amènent la maladie et que selon Bala Aban, Abambacho, Bacho, coordonnateur régional du paludisme au niveau de la direction régionale de la santé publique d'Agadez. Cette année, Agadez a enregistré beaucoup de, beaucoup de cas de, de, paludisme. Écoutons-le, il est au micro de notre correspondant Moussa Maman. Le palis au niveau de la région d'Agadez, d'abord, eh, la région d'Agadez, c'est une, une, une, région hypo-endémique par rapport au paludisme. C'est-à-dire euh, il n'y a, pas beaucoup de, beaucoup de palis euh, euh, autochtones. C'est-à-dire toute la, la transmission du paludisme, tous les cas de paludisme sont amenés d'ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Actuellement, il y a une étude de grande envergure qui sera pilotée par euh, l'État de connivence avec le Cubain qui, qui, consiste à, à faire une, une pulvérisation intradomiciliaire de tous les ménages au niveau de, au, niveau de la commune d'Agadez, courant 2017. Durant l'année 2015, l'année écoulée, parce qu'il faut parler de l'année écoulée, l'année 2016, on n'a pas encore euh, tout, on n'a pas encore fini l'année pour, pour, parler en termes d'année. Donc on a, on a eu 23 456 carrés de paludisme, dont dont 12 615 enfants. Maintenant, à l'intérieur de ces cas, il y a ce qu'on appelle les cas, les cas dépistés au TDR, des, cas confirmés, des, cas confirmés au TDR. C'est-à-dire maintenant, tout, vrai cas de paludisme, c'est un cas confirmé, confirmé au TDR. Le, TDR, c'est quoi C'est le test de diagnostic rapide. En 2016, comme, comme, les rapports ne sont pas encore euh, parvenus, tous les rapports au niveau des districts ne sont pas encore parvenus, on, ne connaît pas les chiffres euh, ronds. La prise en charge de paludisme, comment ça se fait ici dans la région d'Agadez bon, La prise en charge, comme la prise en charge euh, euh, euh, à l'image des pays, donc par rapport à la, femme enceinte, il y a ce qu'on appelle le, traitement préventif intermittent, la TPI, à la, à la chaque femme enceinte doit recevoir trois doses de, TPI sous observation directe lors, de la consultation prénatale. Donc, entre, entre le quatrième trimestre de sa grossesse, après l'apparition du mouvement actif du fœtus et, et, et, son accouchement. Donc une dose de TPI, trois comprimés de, de, de, 500 mg de, trivaloxyne. Et les trois doses doivent être séparées d'au moins un mois. Au cours, de la consultation prénatale, si, la femme est éligible pour le tp lui donner un bol, un, bol d'eau potable et observer directement la, la, de, de, trois comprimés de, de ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle finisse ces consultations. Maintenant, maintenant, chez la femme enceinte, maintenant, tous le cas de, de, de chez une femme enceinte doit être considéré comme euh, en urgence et recevoir en urgence les traitements recommandés. La prise en charge du chez la femme enceinte euh, donc, euh, se fait en fonction de l'âge de la grossesse. Le premier trimestre de la grossesse, qui n'est une base par voie orale, ça fait 1 gramme par kilo en 3 prises par jour et pendant 7 jours. Donc, deuxième et troisième trimestre de la, grossesse. C'est la combinaison thérapeutique à base d'artésinine CTA selon le dosage de, la fiche technique sur la prise en charge du paludisme. En l'absence de CTA, la quinine par voie orale peut être utilisée pendant 7 jours à raison de 8 mg par kilo en 3 prises par jour et pendant 7 jours. Donc les cas de la prise en charge des enfants, c'est gratuit ou bien c'est jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, la prise en chez, les enfants, c'est gratuit. jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, c'est vraiment une politique nationale. La prise en chez les enfants, c'est gratuit. Ici, au niveau de la région d'Agadez, comparativement à l'année 2015 et cette année, comment ça se passe cette situation du paludisme Bon, en tout cas, jusqu'à là, malgré, malgré qu'on n'a pas tous les, tous les rapports au niveau des, des districts, l'efficacité, en tout cas, on peut dire qu'elle est ascendante par rapport à l'année passée. Quoi. Il, y a, il, y a, beaucoup de cas de paludisme au niveau de la région. bien qu'on n'a pas toute la situation des rapports qui nous, qui viennent au, niveau de district. généralement, ben, effectivement, la cible, la cible c'est surtout les enfants, les, les, qui les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables c'est les enfants parce que c'est eux qui, les plus lourds tribus de ce Propos recueillis par euh, Moussa Maman, notre correspondant à Agadez, Bala Abambachou, coordinateur régional du paludisme au niveau de la direction régionale de la santé publique d'Agadez, souligne que ce serait plutôt 60 cas qui auraient été enregistrés. Existe-t-il alors, euh, docteur, vous venez d'entendre avant donc euh, euh, de poursuivre cette émission l'entretien qu'a eu notre correspondant avec le coordinateur régional du paludisme au niveau de la région de la direction régionale d'Agadez. Qu'avez-vous à dire par rapport à cet entretien oui, mais ce que je relève, euh, c'est d'abord, euh, effectivement, euh, Agadez n'est pas la zone la plus touchée par le paludisme au Niger. ça se comprend aisément parce que quand même, c'est le grand nord du Niger et c'est une zone désertique. Quoique, dans les milieux urbains, avec les activités agricoles et notamment aussi avec souvent le maraîchage, les retenues d'eau, etc., nous constatons de plus en plus des gîtes à travers lesquels, notamment les anophèles, peuvent prendre leurs œufs pour donner des anophèles femelles qui peuvent éventuellement transmettre la maladie. Bon, maintenant, il parle d'endémicité au niveau d'Agadez, il parle d'un certain taux euh, de malades qui se présentent au niveau des services de santé et il parle aussi surtout des protocoles qui sont établis sur le plan national qui focalisent la prise en charge au niveau euh, des femmes enceintes, qui est une couche particulière, et des enfants de moins de 5 ans. Euh, je constate euh, effectivement que euh, les programmes sont respectés et que les différents protocoles, en tout cas, sont bien suivis à travers ces propos, comme indiqué par les directives de l'OMS et le programme national de lutte contre le paludisme. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs formes de, paludisme Oui, vous savez, il existe plusieurs formes de paludisme. Pour le paludisme, d'abord, il faut tenir compte en fait des différentes espèces du parasite. Euh, sur le plan euh, mondial, euh, nous avons le plasmodium vivax, et le plasmodium ovale, le plasmodium malarié et le plasmodium falciparum. qui donne, ce qui provoque la maladie chez les humains, c'est surtout le plasmodium vivax et le falciparum. En Afrique, ce qui sévit et qui est d'ailleurs la forme la plus pernicieuse de la maladie, c'est malheureusement euh, le Plasmodium falciparum qui sévit dans nos pays. Maintenant, euh, quand vous parlez des, manifestations de la maladie, des différents types, nous avons euh, ce que les gens ont l'habitude d'appeler le paludisme simple. ils l'appellent comme ça dans leur jargon, mais nous nous l'appelons épisode paludéen. Cet épisode paludéen que les gens connaissent assez bien, qui se caractérise par un certain nombre de signes. D'abord euh, l'hyperthermie, c'est-à-dire une élévation de la température corporelle qui, au niveau de la prise de température, qu'elle soit au niveau euh, axillaire, c'est-à-dire au niveau du creux de l'aine, que ce soit chez les enfants euh, une température rectale, dans tous les cas, le corps humain doit avoir 37 degrés 2. Dès qu'il y a une élévation de température, ça montre quand même qu'il y a une infection ou une pathologie ou en tout cas un dysfonctionnement organique lié à un agent pathogène quelconque. Premier élément, la fièvre est permanente en cas de paludisme. Deuxième élément, ce sont les maux de tête. Maux de tête. Troisième élément, c'est les, frissons. Et accessoirement, quand la maladie commence à prendre un peu de l'ampleur, nous avons des signes de contraction abdominale qui aboutissent généralement à des vomissements. Donc retenons fièvre, maux de tête, frissons, vomissements. Et ça, et ça sont les symptômes. Voilà, ce sont les signes cliniques, ce sont les symptômes. Et, d'accord. avant donc euh, de, revenir euh, sur les personnes les plus touchées par cette euh, maladie, nous allons parler des causes du paludisme. Oui, les causes du paludisme, effectivement, il faut que euh, nos auditeurs nous comprennent très bien. Nul ne peut contracter le paludisme s'il n'a pas été piqué par une anophèle femelle infestée. Donc il faut un vecteur. Et le vecteur ici, c'est l'anophèle femelle et l'anophèle femelle infectée. C'est l'anophèle femelle qui, pour le besoin de la maturité de des œufs à l'intérieur de son organisme, a besoin de sang particulièrement humain pour permettre une meilleure maturation et l'évolution du cycle intraparasitaire, c'est-à-dire au niveau du vecteur, une maturation de, des œufs. Sans ce repas sanguin, l'anophèle peut produire des œufs, mais ce sera des œufs qui ne vont pas éclore pour donner d'autres anophèles femelles notamment qui peuvent non seulement piquer l'être humain, mais en plus, euh, si vous voulez, transmettre éventuellement la maladie. Premier élément, c'est le vecteur, donc l'anophèle femelle. Deuxième élément, il s'agit de vous et de moi, c'est-à-dire les êtres humains, que l'anophèle peut piquer à tout moment. Et ces piqûres se font généralement à la tombée du soir ou dans la nuit. Troisième élément, il s'agit du cadre, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel nous évoluons. et, cet environnement euh, au Niger particulièrement n'est pas trop sain Oui, l'environnement n'est pas sain, euh, mais l'environnement n'est pas sain, mais c'est surtout ici, il s'agit euh, des cours d'eau, d'eau douce à faible débit. Il il peut s'agir des fleuves, il peut s'agir des mares, il peut s'agir des rivières, mais il peut s'agir aussi d'un élément très courant au Niger pour lequel les gens ne, ne font pas beaucoup attention. Il s'agit notamment euh, des traces qui sont laissées euh, par des pasteurs, les peules, éventuellement les chameaux, les bœufs, qui peuvent laisser des empreintes. Et au niveau de ces empreintes-là, quand il pleut ou il y a un écoulement d'eau, ça suffit pour permettre à une anophèle de pondre ses œufs et que ses œufs puissent éclore. Donc on ne fait pas du tout attention à ces petites surfaces. En milieu urbain, ça peut être même les nids de poules dans certains endroits. C'est suffisant pour permettre à une anophèle ou des milliers d'anophèles de pondre leurs œufs à travers ces petits espaces. Il peut s'agir d'ustensiles de cuisine. Les bonnes dames qui laissent notamment les marmites ouvertes ou les tasses ou tout autre objet, même des gobelets, susceptibles de renfermer de l'eau, sont des éléments propices pour accueillir les œufs des anophèles. Alors, docteur, c'est n'importe quel euh, type d'eau, pas eau usée. Euh, on nous a fait peut-être aussi comprendre que l'état d'ordure aussi déversé attirait et, et l'anophèle. Oui, je suis euh, d'accord avec vous. Ça attire les, anophèles parce que ça représente pour eux des abris, des endroits où ils peuvent aller se cacher, des endroits où ils peuvent aller euh, peut-être pendant les heures chaudes de la journée et mener leur vie là-bas parce que, comme je vous l'ai dit, ils vivent surtout de manière nocturne, c'est-à-dire le soir et aussi, euh, si vous voulez, dans la nuit. Donc en plein jour, euh, on ne les voit pas en dehors des salons, des chambres ou des lieux d'habitation où vous avez une baisse euh, de la luminosité et en ce temps, vous voyez que les moustiques peuvent voler. Mais il faut faire la part, la distinction entre deux choses. Les gîtes du, vecteur, c'est-à-dire l'endroit où le vecteur est susceptible d'aller se cacher, de vivre, et les endroits dans lesquels l'anophèle, cette fois-ci, femelle, est susceptible de garantir sa propre reproduction, donc de pondre des œufs et que ces œufs, au contact de l'eau, vont éclore pour donner d'autres anophèles. Donc, quand vous parlez de l'environnement, bien sûr, euh, les saletés, euh, si vous voulez, les ordures, et n'importe quel objet ou n'importe quel lieu dans lequel peu fréquenter par l'espèce humaine, où les gens ne sont pas beaucoup, les moustiques ne sont pas beaucoup dérangés, eh bien, c'est des endroits et des propices pour ces différents vecteurs pour aller s'établir le long de la journée et attendre la tombée de la nuit pour chercher leur repas. Alors, comment euh, lutter ou bien comment éviter ces, moustiques Comment lutter contre leur propagation Oui, leur propagation, euh, je peux dire que, à la limite, euh, c'est simple, mais ça demande aussi d'abord un engagement de la part des pouvoirs publics, notamment au niveau de ceux qui gèrent la communauté, et ça demande aussi un comportement au niveau collectif et individuel. D'abord, le traitement des gîtes, parce que tant que vous avez des endroits, des nids de poules, euh, des ustensiles de cuisine, une mare, une rivière, un bord de fleuve. Pire encore, ou je dirais mieux dans certains cas, des endroits où euh, nous sommes une population essentiellement agricole, où pendant les fortes périodes de pluie, les populations établissent leur habitat même dans les champs. Au moment où ils établissent leur habitat dans les champs, dans tous les champs, vous avez forcément des petites flaques d'eau. Alors, comment euh, traiter ces gîtes Il faut les traiter d'abord par des insecticides. Nous avons euh, certains euh, produits chimiques qui sont utilisés pour détruire et qui empêchent, si vous voulez, la forme, l'éclosion des œufs. En général, ça peut être des substances huileuses qui sont répandues. Ça peut être aussi des insecticides susceptibles de détruire, donc de provoquer la mort de toute charge de parasites qui éclosent pendant la saison hivernale. Alors, docteur, poursuivons donc cette émission pour parler des personnes les plus vulnérables, les plus touchées euh, par cette maladie. Ah, les plus vulnérables, il y a deux grandes catégories. Euh, malheureusement, euh, c'est d'abord les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans. Je peux dire que c'est des sujets neufs. C'est comme euh, aujourd'hui, si vous avez un Européen euh, ou, qui, vient en Afrique pour la première fois, c'est un sujet neuf. Il n'a pas une forme d'immunité pour, parce que son organisme n'a jamais été en contact avec le parasite. À partir de ce moment, il devient un sujet totalement neuf et une simple piqûre de moustique, n'a aucun moyen de défense contre ça. Donc le nourrisson se comporte de la même manière. Il est très vulnérable, jusqu'aux enfants de 5 ans. Deuxièmement, il s'agit des femmes gestantes, des femmes qui ont une grossesse en cours, parce que euh, le placenta est un lieu privilégié de migration des différents des plasmodies à travers la circulation sanguine où ces plasmodies vont au niveau du placenta pour s'établir parce que ça leur garantit, tout comme ça permet la croissance de l'enfant à gestation, ça leur permet un milieu extrêmement favorable pour leur propre développement. Et à partir de ce moment, ça met en danger même l'évolution de la grossesse. Parce que malheureusement, au cours du premier trimestre, euh, quand une femme gestante qui est en pleine période de conception, développe un paludisme, les risques d'avortement sont extrêmement nombreux. C'est pour ça que ces deux catégories de personnes sont singulières et elles demandent une attention particulière dans les programmes de santé et au niveau de tous les services de santé pour protéger la mère et l'enfant et aussi pour protéger les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans. Alors, pour illustrer euh, ce que docteur euh, Maman Hima vient de dire, il y a de cela quelque temps, nous nous sommes entretenus avec le docteur Ousseini Niami, pédiatre à l'hôpital régional Poudrière, où nous avons pu constater que sur 50 patients, plus de 15 sont atteints de paludisme. Suivez maintenant. Elles étaient nombreuses ce matin dans le couloir du service de pédiatrie de l'hôpital régional Poudrière. Ces mères avec leur enfants dans les bras, certains pleurant, d'autres endormis, assises, chacune attendant son tour de consultation. Mais Hadiza Sedou. Elle est prête à faire ses bagages pour rejoindre sa maison. Elle avait passé deux jours à l'hôpital avec son bébé de 9 mois malade. Je l'ai trouvé là de la fièvre, comme c'était vers 16 heures, mais c'est dans les environs de 0 h que ça s'est aggravé. C'est ce matin que je l'ai amené, il faisait 39 degrés. Il a des maux de tête et la hein. grippe. C'est un paludisme compliqué. Je hein. pensais que j'allais perdre mon enfant. Ici au Niger, comme dans beaucoup de pays, l'insalubrité est l'une des principales causes du paludisme. Cette maladie présente plusieurs symptômes. Le paludisme se manifeste euh, par une fièvre, surtout une fièvre qui peut être compliquée au nom de maux de tête, de courbatures, de douleurs musculaires, parfois des signes digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhée. Il y a des patients qui peuvent manifester des sueurs avec des tremblements. En cas de paludisme grave, nous pouvons avoir une anémie sévère, des convulsions, des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma, une détresse respiratoire où les patients peuvent présenter plusieurs saignements. On peut avoir aussi des patients qui viennent qui disent qu'ils émettent des urines Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle une hémoglobinurie. Hormis ces signes cliniques, il existe d'autres moyens de déceler le paludisme. Exemple, le frottis qui permet de contrôler la présence du parasite dans le sang. Selon docteur Ousseni Ami, il n'existe pas de traitement préventif pour le paludisme chez l'enfant. Seules des précautions doivent être prises pour éviter cette maladie. Euh, actuellement, il n'y a pas de traitement préventif pour le paludisme. La prévention consiste à avoir un environnement sain, à utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Parfois, on peut utiliser des répulsifs à moustiques qu'on peut passer sur le corps ou la, le soir, à la tombée de la nuit, surtout chez les enfants, leur mettre des vêtements longs qui les couvrent. Pour réduire le taux de mortalité du paludisme, le gouvernement doit continuer la distribution de moustiquaires imprégnés, également mettre à disposition des centres des médicaments antipaludéens, souligne la pédiatre Ouseni Ami. Docteur, euh, donc euh, vous venez d'entendre euh, docteur Ouseni Ami qui nous parlait donc des enfants et donc elle est pédiatre, vous l'avez bien entendu. Par rapport à ces symptômes qui concernent ces enfants, peut-on dire que ces symptômes sont identiques aussi bien chez les enfants que chez les adultes oui, ils sont identiques, mais souvent ils ne se présentent pas avec la même acuité. Premier élément, ce dont il faut tenir compte du paludisme, c'est que c'est une maladie à fort potentiel de mortalité. Hein? Deuxièmement, elle peut évoluer de manière fulgurante. En 24 heures, ça peut être à l'origine de décès. En 24 heures. C'est pour ça que, effectivement, en dehors des signes cliniques, parfois qui amènent euh, si vous voulez, à faire une confusion avec d'autres pathologies. Les gens ont remarqué souvent la similitude des signes avec notamment la fièvre typhoïde. On allait en venir, au docteur, mais puisque vous en parliez, la différence entre ces deux maladies, les signes. Oui, les signes, c'est que euh, pour la typhoïde, nous avons ce que nous appelons une fièvre en plateau, c'est-à-dire elle ne descend pas. Et elle est rebelle aux antipyrétiques. C'est-à-dire, même quand la personne fait de la fièvre, nous lui administrons un médicament qui doit faire baisser la température. La baisse de la température n'excède pas 5 à 10 minutes. Donc elle est rebelle. La fièvre ne, ne chute pas. Elle chute temporairement, de manière transitoire, mais elle persiste. Il y a d'autres signes tels que la constipation, etc. Mais on retient ça comme élément. Une fièvre en plateau, dans le cas de la fièvre typhoïde. Dans le cas du paludisme, nous avons ce qu'on appelle la fièvre tierce et la fièvre 4. Pourquoi Parce que souvent, nous avons une fièvre qui se fait, par exemple, toutes les 48 heures ou toutes les 72 heures avec un pic. Donc, comme les gens ont l'habitude de dire, euh, le thermomètre fait du yo-yo. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et c'est cela. À des certains moments, et c'est une fièvre qui répond aux antipyrétiques. C'est-à-dire que, et c'est ça toute la complexité, c'est-à-dire quand on donne un médicament contre la fièvre, la fièvre, comme les gens disent dans le jargon de tous les gènes, est cassée. Nous, nous parlons de baisse de la température. Donc il y a une baisse de la température et les gens pensent que c'est une voie vers la guérison, alors que ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître que le moment où les gens, où une personne fait un accès de fièvre, en réalité, ça correspond à une période d'éclatement des globules rouges dans l'organisme. Donc ça veut dire que c'est à ce moment. Et c'est pour ça que c'est souvent accompagné euh, de, de transpiration, de sueur qu'on remarque le long du corps. Donc c'est ça toute la différence. Et c'est une des raisons pour lesquelles une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est c'est avant d'instituer un traitement contre le paludisme, il faut procéder au-delà de l'examen clinique à un examen biologique. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il s'agit du frottis, c'est-à-dire l'examen, euh, la goutte épaisse comme on dit, l'examen de laboratoire, qui nous donne des résultats le plus long possible, c'est en 30 minutes. Il existe, comme l'ont dit certains des intervenants tout à l'heure, les tests de diagnostic rapide qui nous donnent pas cette fois-ci une appréciation de la présence ou non de l'agent pathogène en 5 minutes. Vous voyez que les moyens existent pour savoir au bout de 5 minutes si oui ou non nous avons la présence de parasites dans l'organisme, et ceci à travers une goutte de sang prélevée le plus souvent au niveau de l'index. Docteur, on parle aussi de neuropaludisme. Oui, là, c'est les complications. Je vous ai dit que euh, le paludisme, c'est la prise en charge précoce qui nous permet d'aller le plus tôt vers la guérison. Quand les gens négligent, ou quand nous sommes dans des situations où il n'y a pas de service de santé. Parce que c'est très fréquent aussi dans nos pays des zones dans lesquelles il n'y a pas une accessibilité de services de santé. Ou dans des zones où les services de santé ne sont pas de qualité. C'est-à-dire, il manque soit des éléments pour pouvoir faire un test de diagnostic rapide, soit des éléments pour pouvoir faire une guite épaisse, soit, comme l'a dit tout à l'heure euh, un des intervenants d'Agadez, l'indisponibilité de certains médicaments, même si c'est de manière temporaire. Dans ces cas précis, nous allons nous retrouver avec la maladie qui va continuer à évoluer. Et là, ça ne sera pas comme nous l'avons dit tout à l'heure, un palu que les gens disent simple, c'est-à-dire un début de paludisme. Nous allons vers ces complications. Et une de ces complications, c'est justement les cas de neuropaludisme qui entraînent, si vous voulez, l'agitation, des convulsions, des détresses respiratoires, un effondrement de la pression artérielle et souvent des situations de coma. Et, docteur, euh, nous allons rapidement aborder la question de la prévention euh, du, paludisme au Niger. Euh, tout récemment, dans le cadre de la prévention du ministère de, la prévention, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme ont initié au mois de juin une distribution de moustiquaires dans la région euh, de Niamey à raison d'une moustiquaire par deux personnes. Et docteur, euh, est-ce que les moustiquaires euh, imprégnés sont véritablement l'un des moyens pour prévenir le paludisme Y a-t-il d'autres moyens oui, il y a d'autres moyens, parce que le premier élément, comme nous l'avons dit, c'est la lutte antivectorielle. Il faut poursuivre, il faut pourchasser, il faut détruire les moustiques. Non seulement au niveau des gîtes, mais ne pas permettre l'éclosion des œufs au niveau de toute source d'eau, que ce soit temporaire, semi-temporaire ou au niveau des cellules familiales, notamment à travers euh, notamment les ustensiles de cuisine. Deuxième élément, effectivement, c'est un fait extrêmement important, qui est l'utilisation des moustiquaires, on dit maintenant moustiquaires imprégnés durables, donc de durabilité, qui sont utilisés, mais malheureusement, ce n'est pas accompagné de stratégies de communication. C'est-à-dire qu'on ne dit pas expressément aux gens à quel moment il faut utiliser ces moustiquaires et quel est l'usage que les gens doivent faire et à quel moment et à quel moment utiliser donc ces moustiquaires, docteur Les moments, il faut les utiliser souvent le soir et avant de dormir, c'est-à-dire qu'il faut le mettre que les gens soient sous moustiquaires. quel que soit l'âge de la personne. Premier élément. Deuxième élément, élément dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut leur dire que l'usage des moustiquaires imprégnés de longue durée ne suffit pas à l'intérieur des cellules familiales. Parce que les gens passent le clair de leur temps, avant de dormir, ils ont d'autres activités. Soit c'est la cellule familiale qui se regroupe et qui échange, soit ils mènent des activités euh, en plein air, euh, ils vont euh, en plein air pour se récréer, etc. Et donc le fait de se mettre seulement sous mysticaire imprégné ne suffit pas pour empêcher à quelqu'un d'être piqué par des moustiques éventuellement. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'on intègre dans la lutte antivectorielle vectorielle euh, l'utilisation, comme certains intervenants l'ont dit, d'insecticides intradomiciliaires, c'est-à-dire beaucoup d'insecticides. Deuxièmement, que les gens utilisent d'autres moyens aussi, comme les répulsifs à l'intérieur des maisons. Et troisièmement, je voudrais quand même insister sur, euh, en termes de prévention, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on dit dans notre vocable, les TPI, c'est-à-dire le traitement euh, préventif intermittent. C'est une disposition obligatoire chez toutes les femmes enceintes. C'est impératif. Deuxièmement, au niveau des enfants, où normalement, à chaque période de vaccination, comme nous sommes dans une zone endémique, c'est-à-dire une zone dans, laquelle le palu intervient toute l'année, eh bien, il faudra leur donner les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Euh, euh, alors, euh, docteur, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas un produit qui peut prévenir contre le paludisme. Et je me souviens que cela fait quand même un peu longtemps. Il y avait ce qu'on appelait la, le, sirop Nivakin, qui permettait quand même aux enfants de, se prévenir contre cette maladie. Et aujourd'hui, c'est un produit qu'on ne trouve plus. Oui, j'ai dit fort heureusement qu'on ne le trouve plus. Parce que si vous voulez, euh, de la même manière que l'homme cherche des moyens de lutter contre le vecteur et le parasite, de la même manière, ces parasites trouvent des moyens de se protéger contre les poisons avec lesquels nous voulons les détruire. Et ce serait trop vaste de parler un peu des raisons qui ont amené à l'inefficacité de certains médicaments comme la chloroquine, les dérivés des sels de quinine et la et la mefloquine. Ce serait trop d'en parler, mais sachez tout simplement que c'est le mauvais usage de ces médicaments et aussi les faux médicaments qui sont utilisés qui ont permis aux, parasites d'acquérir une forme de résistance. C'est-à-dire que désormais, la chloroquine n'est plus efficace et n'est plus adaptée pour tuer le parasite. Et c'est en cela que euh, ces dernières années, quand on a trouvé la formule de ce qui est utilisé aujourd'hui à travers les différents protocoles, les, les, combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, c'est devenu une vraie révolution pour nous. Nous avons fait un pas en avant dans la lutte contre le parasite et nous avons fait un pas en avant pour une meilleure prise en charge des malades en cas de paludisme. Consommer, utiliser de la chloroquine aujourd'hui ou de la méfloquine ou de la modiaquine exclusivement pour faire face au paludisme, je dirais que vous donnez du tenus à votre parasite et vous lui demandez de continuer son chemin et d'évoluer peut-être vers une phase compliquée de paludisme. Alors, docteur, quelles sont les perspectives mondiales aujourd'hui Bon, euh, il faut dire que l'OMS a décrété 2016-2030 comme étant euh, une stratégie pour lutter contre le paludisme cette stratégie se base sur trois piliers. D'abord, pour garantir l'accès universel à la prévention, l'accès universel au traitement et l'accès universel au diagnostic. Ça suppose qu'il y a un certain nombre d'investissements qui doivent être faits dans nos structures sanitaires pour permettre à toutes les populations, surtout rurales, d'avoir accès à ces différents services. L'autre pilier, c'était euh, d'accélérer les efforts de l'élimination et d'aller vers l'obtention du statut exempt de paludisme. Il nous est permis de rêver. Mais ce que nous avons constaté en termes de santé publique, il y a eu l'éradication de la variole. On parle aujourd'hui d'une tendance de l'éradication de la rougeole. On nous parle de l'éradication du ver de Guinée, on pense qu'avec des moyens importants, on peut arriver si il y a une politique, euh, une bonne gouvernance dans le secteur et des forts investissements, aboutir à éliminer et à débarrasser l'humanité du vecteur et successivement du parasite. Alors docteur, parmi ces rêves, on peut parler euh, d'un vaccin un jour contre le paludisme On parle du vaccin, mais je suis euh, désolé de vous décevoir. Euh, malgré les progrès de la science, à l'heure actuelle, nous n'avons pas pu faire concevoir un seul vaccin contre n'importe quel parasite à l'échelle mondiale. C'est les limites des recherches de la science et c'est les limites, c'est les défis la science nous impose et c'est le défi auxquels nous sommes confrontés. Nous avons des vaccins contre les virus, nous avons des vaccins contre les, bactéries, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin à travers le monde contre un parasite. Par contre, il y a quand même une évolution, il y a de l'espoir. Il y a un vaccin qui est un peu euh, phase aux phases d'essai dans sept pays africains. J'espère que nous ne sommes pas les cobayes parce que l'Afrique est souvent le continent à travers lequel certaines expérimentations sont faites. Mais il y a quand même un vaccin qui non encore homologué, qui a un nom un peu barbare, qu'on appelle RTSS ASO1, qui est très avancé. C'est une luette d'espoir qui est ouverte dans notre dynamique pour combattre particulièrement le plasmodium, c'est aussi une fenêtre qui nous est faite pour penser que enfin nous allons voir un premier vaccin à l'échelle mondiale contre un parasite. Fidèles auditeurs, euh, nous étions en compagnie du docteur Mamman Hima. Il est consultant santé environnement, enseignant au département santé publique. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.